On commence à compter à partir du mois de Ramadan, puis le mois suivant. Après vient le mois de la fête de Tabaski. C'est quand ce dernier finit qui commence la période de la Shara qui s'étend sur tout un mois. On l'appelle Watan Shara. Mais dès qu'il s'achève, c'est fini. Il faut attendre l'année suivante.